Monsieur le ministre, c'est le lieu de remercier le président de la République pour sa détermination à mieux accompagner les Sénégalais de l'extérieur, mais aussi pour la mise en place de politiques pour une bonne euh, réinsertion des émigrés de retour au pays. Monsieur le ministre, nous saluons la mise en place prochaine dans votre département de dispositifs de collecte et de production de données migratoires qui va vous aider à la prise de décision en matière de politique migratoire. Le président de la République et son gouvernement ne cessent de valoriser le potentiel de la contribution de la diaspora sénégalaise à l'effort de développement national. Grâce au président Macky Sall, Monsieur le ministre, la diaspora a retrouvé sa place dans toutes les instances de décision du pays. Monsieur le ministre, le Sénégal ne cesse de promouvoir le respect des droits des immigrés sénégalais, mais aussi des immigrés au Sénégal. Sénégal, pays de Teranga. Monsieur le ministre, le président Macky Sall, grâce à son leadership mondial, lutte efficacement contre la migration irrégulière, le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et assure aussi la prise en charge des migrants vulnérables, le FES, qui finance nos femmes dans la diaspora et qui nous aide beaucoup dans la diaspora. Près de 11 milliards 500 millions sont distribués. Monsieur le ministre, l'amélioration de la prise en charge de la santé des Sénégalais de l'extérieur mais aussi de retour au pays et en nette amélioration depuis 2012. Nous disons merci au Président. Cependant, Monsieur le ministre, l'amélioration de l'organisation des acteurs, de la migration, de l'assurance, de la protection sociale et consulaire des migrants sénégalais est à poursuivre. Monsieur le ministre,

Euh, lu taxaw fi diko wax diko diko politiquer rafetul kon lolou dañ koy ñaawlu te ba mu autorité sénégalaise diplomatique yi nga xamni ño nek fofu dañu dem rapidement au chevet ñu leen di féliciter ñun ñi nga xamni ño nek Mauritanie bi mu amé biñ ko le consul honoraire de Nouadhibou du Sénégal à Nouadhibou ak le premier conseil de l'ambassade du Sénégal à Nouakchott donc, nous sommes automatiquement sur place pour veiller à ce que les rescapés soient bien euh, traités donc nous avons fait koy rafetlu di la ko au passage monsieur le ministre nous dañ lay Si nous savons, que li nga avons pèlerinage nous privatiser ko ñu parce que ñun Nous Sénégal Si nous avons besoin à l'extérieur nos besoins nos préoccupations vraiment ne méritent pas ça donc nous vraiment yow am nga liggéey bu vraiment loolu génne ko sa merci beaucoup je vous félicite. La parole est à